Juste 5 euros. Avec des juste 5 euros, ils ont financé euh, depuis. des et celui-ci en est euh, le énième. Euh, raison pour laquelle cette population est rassemblée ici pour témoigner de leur euh, énorme besoin d'eau, mais surtout de leur reconnaissance vis-à-vis de juste 5 euros et de toute personne qui est derrière leur mobilisation pour aider des gens distants qu'ils ne connaissent pas, mais pour apporter des solutions et soulager des, populations qui sont fatiguées. ñu ko sante yalla ndax jigen mo haajo ndox luy cionon ndox jigen mo koy sonne waaye daanaka goor amu si coono ndax bo soxla ndox ya ngi waxu fi ba ca biir dekk ba nga duyee fa ndox ñew boole ko di togg kon bo amé ndox mo la jégué dang koy sante yalla da gëreem maye da len ñaanal yalla yok len bañ yëg yalla xewal len war sagal len xaar len làq len fa yalla mi borom kum jàmmal nga am jamm yalla len may jamm ak sutura may len fa wu guddu ñu nga xam ne maanaam yéen ñooy dox tànk yi ak ñi nga xam ne ñooy jaarale xewal gi ci yéen maanaam ñoom ñooy financé seen alal te yal na leen yàlla kàttanal ñu mu gën koy man ñoo xam ñun lii lii de moom luñ yàggoon a bëgg la ndax teena ne on fii te teen bi yàqoon na ay xati mu ngi nii mënuñ koy defar te mënuñu am beneen suñ koñ bi moom teen sori na fi lool bi bu ñu bëggee ndox ci biir dëkk ba la ñuy dem kon ñun lii buñ ko amee moom xewal la ci ñun bu baax a baax a baax dañ koy sant yàlla di ñaan yàlla maanaam ñi koy liggéey it yàlla kàtt na leen bañ mën ko yeggali di yeggale ko ci ak wér yàlla may ñu ci ndox ndox mu neex te bari te ñi nga xam ne ñoo ko financé ñoom itam yàlla leen yàlla kàttanal yéen ñuy dox tànk yi itam yàlla leen yàlla kàttanal te xewalal leen. teen bii de ñu may ñu xewal la ci ñun ndax am nañ ay robinet waaye robinet yi su tàkkusaan jotee kenn dootoo sangu ko rootu toon dootoo sangu kon bu xamee lii sant yàlla lañ koo def. Le manque d'eau ici a été décrit euh, par la population, je reviens pas dessus, mais simplement souligner l'importance de la continuité, continuité de ce type de projet ensemble puisque à chaque fois que nous traversons une contrée comme ça, nous avons de nouvelles demandes qui nous arrivent ou le constat que nous faisons euh, nous-mêmes du manque d'eau qu'il y a sur ces zones. Donc barakallahu fikoum. Dans quelques semaines, inshallah, nous espérons revenir ici pour une inauguration de ce puits qui sera bi'iznillah un un joyau pour ces villages. Euh, fikoum.